Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire de Studio Kalangou, le forum de la presse. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de la visite de 112 heures du président de la République Abazou Mohamed dans la région de Dosso. Ensuite, nous parlerons de la situation humanitaire dans la région de Tilaberi, dressée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires le 30 septembre 2022. Enfin, nous parlerons d'Octobre Rose, un mois dédié à la lutte contre le cancer. Pour discuter, nous recevons dans ce studio Madame Maimouna Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Sidou Ousmane Doumbia, journaliste indépendant également, bonsoir. Bonsoir. Et El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de publication du journal Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafisa Adam Sirko à la modération. nous débutons ce forum de la presse par la visite de travail de 72 heures du président de la République, Abbas Mohamed, dans la région de Dosso. Le président a débuté sa tournée euh, par l'étape de Gaïa avec la visite de l'aménagement hydroagricole de Sakonji-Birni et la laiterie euh, de Gaïa, entre autres. Alège Suleiman, je commence par vous. Quelle autre information avez-vous donc euh, sur cette visite du président de la République de la région de Dosso euh, le président de la République a également, ce qu'on a vu, il a fait des rencontres, euh, par exemple, à, Gaïa, en plus donc de ce que vous avez dit. Mm-hmm. Euh, le sanitaire, le chantier donc des routières, il était au camp à Gali également. Il a fait des meetings avec des populations. Mm-hmm. Euh, euh, je pense qu'il a tenu un, message, en tout cas un discours à, à justement, nous allons euh, passer un extrait. Mhm. justement, je pense que ce qu'on retient, c'est cette visite de proximité. un exemple pour dire que c'est cela en réalité, aller sur le terrain, un village qui s'appelle, je crois, Gatawani, où le président, les gens ont problème d'eau très très crucial. Les gens, quand les gens ont voulu que le président vienne, mais je crois au niveau du protocole, les gens ont voulu que le président vienne. Quand il a eu vent de ça, je pense, on a dit il est allé. Mhm. Et quand il est allé, justement, ces gens ont dit depuis Jory n'a pas <laughs> vu le président. Mais ce qui est important, c'est qu'il a pris des dispositions mhm, mhm. pour régler le problème de l'eau parce qu'il y a eu des initiatives qui ont été bloquées. Mais le président a instruit pour que désormais ce, que ce soit, soit réglé. Je pense que c'est une très très bonne chose. Euh, à savoir que souvent, euh, à, de loin, on peut ne pas effectivement euh, s'imprégner directement de, de, de, En tout cas, au niveau de ce village, vous ne pouvez pas imaginer le, la, réaction des village selon en tout cas notre reporter. Euh, donc ça, c'est un exemple. Donc c'est dire que, et quand par exemple moi, au niveau du camp à lorsque je parlais aux, soldats, donc que bon voilà, moi je suis venu vous dire que... Mhm. Euh, euh, je suis satisfait de ce que vous êtes en train de faire. Voilà votre vocation. C'est une initiative euh, le président, dit, le président aux soldats que vous, ici, par exemple, l'opération d'Amsa, c'est une forme de réponse qu'on mm. voudrait, en tout cas. Mais votre vocation principale, vous, c'est d'empêcher le ravitaillement logistique des terroristes, notamment empêcher, empêcher l'accès des, des, des mm-hmm. motos et des armes. Ça, je pense que c'est la, vision qui est mm-hmm, derrière cela. Mm-hmm, Mais aussi, moi, je pense que en termes de motivation, venez dire aux soldats, ils ont besoin quand même aussi de cela. Autrement dit, quand on voit comment les soldats font des sacrifices, mhm. souvent tu tué comme ça, mais quand on vient effectivement te montrer vraiment la reconnaissance de la nation et que mhm. on, te motive, vraiment ça donne un peu de, de, de, courage. Mhm. Et je pense que euh, de cette vision, en tout cas, euh, euh, on a, ça vraiment, si on veut freiner en tout cas le tourisme, ça, absolument la question du ravitaillement en carburant et en moto, il faut qu'on trouve une solution Sinon, justement, euh, une fois que cela. il faut observer, quand même une certaine euh, accalmie, en tout cas, sur notre territoire. Mhm. Donc, euh, je, pense que. La région de Dosso est l'une des régions où il y a un peu d'accalmie en matière de. L'autre élément, en tout cas, qui mhm. a été mon attention aussi, c'est la vision en termes maintenant. de capitaliser les ressources en eau du département de, la région de mhm. Dosso, parce qu'il a dit la région de Dosso a, une, a des ressources importantes en nous qui ne sont pas et, euh, euh, donc utilisées. Il fallait donc maintenant euh, donc asseoir un parc agro-industriel en tout cas dans le sens de permettre aux jeunes de ne pas dépendre de, de, de, de la, pluie. Mhm. Bon, je pense que ça c'est le programme du, président, de mhm. président mais je pense que quand même quelque part aussi euh, ça montre clairement dans ces conditions que venir en tout cas faire cela, mhm. vous savez aussi c'est aussi le challenge aujourd'hui quand on euh, on, voit un tout petit peu, euh, on reproche par exemple à, l'ancien président euh, pendant son, mandat, qu'il ne sortait pas assez. mais le, style de, le, style de Bazoum, lui, mm-hmm. il va avec la population, il prend des bandes de foule dans un contexte sécuritaire aussi. Tout cela est de nature à montrer qu'effectivement, quand il y a un peu, malgré tout, la situation, est dégradée, mm-hmm. mais quand même, on arrive à, sortir, le président peut sortir, en tout cas, rencontrer la population mm-hmm. Donc, bref, je pense que en, démocratie, venir écouter les gens, euh, donc euh, euh, vraiment s'emparer de leurs problèmes et éventuellement ce qui est urgent. Par exemple, sur la question de l'eau, mhm. il y a beaucoup de villages qui ont des problèmes d'eau, mais en tout cas la personne de l'eau, oui vraiment, moi, ce que je voudrais faire, je vais d'abord, j'ai déjà identifié là où le problème se trouve avec acuité, mhm. donc je vais d'abord régler ces problèmes là où c'est urgent. Le reste, il y a un programme, donc il a parlé également de l'élection rurale où il a dit, par exemple, dans la région de Dosso, euh, donc, le projet, c'est 400 villages qui vont bénéficier et donc, euh, bientôt. Bref, bon, je pense mhm. que ça, c'est le, programme. Justement, oui, il s'est appesanti à Tibiri sur la question des, énormes potentialités euh, hydriques que regorge cette zone. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait de l'intervention du président de la République. La région de Dosso dispose de ressources en eau plus que les autres régions du Niger car une étude faite il y a une année de cela a montré que les vallées de la région de Dosso, la vallée du Dalol Bosso, Dalol Foga et Mauri leur nappe regorge plus de 560 milliards de mètres cubes. Ces eaux, lorsqu'elles sont exploitées, peuvent servir à la culture de contre-saison sur 2 millions d'hectares. La vallée quittant Sukukutan et Dogonkria passant dans le sud de Matankari, traversant Koremairua, Gesheme, Karakara, Zabori, Bana pour aboutir à Gaya. Cette étendue pourra à elle seule servir pour une contre-saison de 1 million d'hectares. Notre présente visite est une occasion de voir les réalisations possibles. C'était là donc euh, le président de la République, euh, Bazoum Mohamed. Vous l'avez entendu, les énormes potentialités hydriques que regroge euh, la, région de Dosso. Mais Mouna, vous, selon vous, quelles peuvent vraiment être les retombées d'une telle visite du président de cette région les retombées, euh, ça je pense que comme euh, nous sommes, d'abord c'est à deux niveaux. Mm-hmm. Je vais situer son déplacement à deux niveaux. Le premier niveau, c'est aller s'enquérir des conditions de ces populations-là. Mm-hmm. Les conditions sanitaires, les conditions éducatives, les conditions euh, d'infrastructure mm-hmm. pour cette région. Et deuxième niveau, c'est par rapport à l'insécurité également. Donc, euh, vous l'avez si bien dit, c'est une région qui est un peu stable mhm. par rapport aux, autres, régions. En tout cas, par rapport aux autres régions, Dosso n'est pas trop cité. Mhm. Euh, frappé par cette insécurité. Mhm. Donc maintenant, il faut prévoir les dispositions nécessaires pour que ça ne soit pas aussi une région affectée comme les autres régions qui sont dans cette situation. Maintenant. Bien que dans une partie de cette région à Dogondouchi, on fait face souvent à certains enlèvements de populations. Oui, oui, oui, on fait, oui. C'est pour ça que j'ai dit, il mhm. faut prévenir. Donc, il faut essayer de recadrer les choses pour voir comment est-ce que ils peuvent euh, mettre fin à cette situation au niveau avant que ça ne soit justement dans toute la région de mhm. Dosso. Mhm. Donc, euh, les, pour ce que euh, sa visite peut euh, on peut tirer de cette visite, c'est qu'il a parlé de potentiel à nous. Mm-hmm. Donc, pour lui, aujourd'hui, il n'est pas du tout. Euh, euh, la région, la population doit saisir de cette opportunité, mm-hmm. de ces nappes souterraines, pour que ça soit bénéfique, non pas seulement à cette population, mais également pour les autres aussi. Mm-hmm. la culture de contre-saison, si aujourd'hui on peut utiliser ces nappes souterraines pour pouvoir euh, faire euh, travailler des jeunes, mhm. les amener à aimer la culture de contre-saison, je me dis que ça aussi c'est une retombée pour euh, tout le Niger. Mhm. Donc parce que nous savons que d'habitude, c'est la région d'Agadez, les produits viennent de la région d'Agadez, mais si aujourd'hui, oui, oui, mais si aujourd'hui ici dans la région de Dosso, on peut également espérer à ce qu'on arrive à mettre ces, ces différents agrumes et autres là, mais je pense que c'est, c'est, donc vraiment on, la gagne, on gagne euh, et la population doit prendre conscience de mhm. cette richesse, mais prendre conscience de cette richesse comment? C'est à l'État d'abord de faire en sorte que les nappes souterraines soient exploitées de manière à ce que celui-là ou bien ces populations puissent accéder rapidement. Mais en quoi faisant En euh, créant des aménagements Des aménagements, des, aménagements hydro-agricoles. Mhm, mhm. Et euh, mhm. et en, en, faisant en sorte qu'aujourd'hui, qu'il y ait plus de, euh, de forage, plus de... Oui, oui, mhm. pour que ces populations puissent accéder. D'accord. C'est ça, en fait. Alors vous, c'est du coup, que dire sur cette euh, visite euh, du président de la République à, à Une visite qui, si on s'est fait suite à plusieurs autres dans certaines régions du Niger. Justement, vraiment, il vous souviendra que sur ce même plateau, nous avions eu en son temps à saluer l'initiative parce mhm. que elle coupe carrément avec l'autre gouvernance. Mhm. Le président n'a fait le choix d'aller sur le terrain, constater de visu, euh, sans qu'on ne lui rende compte, même si on lui rend compte, en tout cas, aller de vive voix, échanger avec ces populations-là, voir les voies et moyens à travers lesquels euh, les difficultés, ça n'en manque pas, les attentes, ça n'en manque pas. Maintenant, dans la mesure du possible, tenter de les solutionner. L'initiative en elle est salutaire et louable dans la mesure où il a eu à rencontrer les populations, même si vous l'avez si bien dit, Dosso, il y a pratiquement une accalmie sur le mhm. plan mhm. sécuritaire, mais mhm. tout de même, il ne faut pas baisser la garde. La preuve, on, a, lui a soumis des doléances. Euh, vous savez, Dosso est confronté à travers ses différents départements à trois types de problèmes. Le premier problème, c'est lié au phénomène sécuritaire qui est le kidnapping. Le deuxième, c'est la fraude des hydrocarbures, le trafic de drogue. Ces deux premiers aspects-là, même s'ils si, euh, ils sont euh, endogènes, il y a un autre aspect, vous savez, les conflits euh, agriculteurs-éleveurs. Mm. Donc, c'est autant de problèmes qui, à travers la rencontre avec les différents acteurs, auront permis en tout cas de toucher du doigt les réalités de ces populations-là, mm. d'échanger avec elles et mm-hmm. trouver les voies et moyens à travers lesquels on pourrait quand même amener à un début de solution. Mm-hmm. Et dans une des localités, on lui a soumis le problème sécuritaire. Il a instruit qu'il y ait euh, un peloton de la garde pour ce et mieux et dans une autre il mhm. a et la même euh, demandé à ce que la gendarmerie soit renforcée mhm. en, moyen moyens logistiques. il a profité aussi pour annoncer des, des, réalisations, notamment mhm. l'électrification du de ces 400 villages, non, mm -hmm. plus. Donc vraiment, c'est une bonne chose. C'est une initiative à saluer. Maintenant, allez constater de visu, écouter les attentes. Il ne faudrait pas qu'au retour, euh, que cela soit sans suite. il faudrait que ça soit relancé mhm. et pour qu'effectivement, euh, ces visites terrain-là qui sont à saluer puissent vraiment continuer à produire euh, l'effet escompté. Moi, je pense que mhm. l'initiative, elle est à saluer. Il faudrait qu'elle s'inscrive dans, dans, la durée. Et moi, je pense que ainsi, même si il serait illusoire de croire que tous les problèmes seront mhm résolu, mais quand même, je pense que en allant tâter sur le mhm. terrain, toucher du doigt les réalités, c'est une, une bonne chose. ça lui permettra effectivement d'avoir ce feedback, mhm. aussi bien des attentes, tout comme du niveau d'exécution de, d'exécution des promesses qu'il a eu à faire pour la mise en œuvre de son programme. De des visites terrain donc euh, du président qui sont à saluer, El Hajj Suleiman, euh, sur quoi mettre davantage l'accent pour que ces visites soient bénéfiques même à la population il euh, faut mettre l'accent sur le fait que comme maintenant on voit il y a des recommandations, ce qui a été identifié comme problème effectivement, le président des instructions, mhm. le plus important qui peut rassurer la population, c'est qu'effectivement les instructions soient exécutées. Mhm, mhm. Euh, vous voyez par exemple sur la question euh, sécuritaire, j'insiste encore, euh, venir parler directement aux soldats, parce que tout comme effectivement les populations elles-mêmes, souvent euh, le, soldat, vous savez, au niveau de <laughs> la RSI, donc euh, euh, militaire, je pense que quand le président va, venir, c'est vrai, en termes de, communication, mhm. les gens vont écouter le message du, président, mais je pense que c'est toujours bien de venir parler, permettre aux gens en tout cas de, s'exprimer, mhm. les, les motiver c'est important. Mm-hmm. Et je pense que euh, sur cette question, euh, le président, lorsqu'il parlait avec le, président d'Amissa, c'est-à-dire que mm-hmm. c'est vraiment, moi j'ai vu de cela la, vision, mm-hmm. de que nous, vous, ici à, à, à Dosso, voilà votre vocation. Mhm. Voilà ce que vous devrez faire. Et on va vous renforcer, on va vous donner les moyens pour, le, pour, pour, pour, le faire. Mhm. Parce que je pense que si on s'organise, on, on, connaît très bien qu'il a vraiment donné, il a bien renseigné que voilà comment ça se passe. les bénis du Nigeria nous viennent avec euh, des motos et du, et carburant. Mhm. Et voilà là où ils vont avoir un, peu partout, en tout cas. Le, donc vraiment, je pense que le, résultat doit être euh, vraiment atteint, mhm. c'est-à-dire qu'on euh, on donne suffisamment les moyens et avec, avec, avec, le suivi, on peut espérer effectivement, lorsque euh, le terrorisme n'a pas ce, ce logistique, mhm. nous pensons qu'effectivement notre pays va être sécurisé. Parce que l'autre défi c'est justement de l'autre côté, puisqu'il dit, ils vont pour amener, eh, pardon, jusqu'au Mali, mhm, mhm. pour habiter les, les, les, les, touristes. Euh, maintenant, quand, quand je, je, je, je, reviens sur cette question de, donc au niveau, au, niveau, par exemple, euh, justement, c'est un bon moment en tout cas, c'est euh, presque à la fin de la campagne, de la campagne agricole. Et c'est vous voyez aussi, vraiment... La, la, par exemple, de trucs laitiers, on voit effectivement cette volonté de booster le, privé, le secteur mm-hmm. privé, effectivement, mm-hmm. investir. Euh, on a vu vraiment les, euh, la dame de. La, qui a la, laiterie, vraiment. Euh, ça donne en tout cas, parce qu'elle elle a besoin en tout cas d'étendre son expertise, en tout cas au niveau national, parce mm-hmm. qu'elle a, fait montre véritablement qu'elle sait faire cela. Donc il faut qu'elle occupe tout, en tout cas l'espace national. Donc il faut donc vraiment les, aider en tout cas à faire, à faire des, affaires. Mais vraiment, véritablement, lorsque le président dit, en tout cas, euh, nous avons de l'eau qui fait en sorte qu'on ne peut plus attendre de la pluie. Nous pouvons, avec ce qu'on a comme potentiel hydrique, mhm. euh, euh, en tout cas, travailler pour qu'on puisse en tout cas non seulement nourrir les, les, Nigériens, mhm. mais aussi faire des affaires avec, euh, avec ce qu'on a. Nous allons donc euh, clôturer ce premier sujet. Nous espérons vraiment que cette euh, population de la région d'Odosso mhm. puisse prendre conscience de cette richesse que regorge leur région et que ces visites, qu'on espère vraiment des résultats positifs. Deuxième sujet du forum de la presse de ce jour, le bureau de la coordination des affaires humanitaires, dans un rapport publié le 30 septembre 2022, donne un aperçu sur la situation humanitaire de la région du Tilaberi. Pour les mouvements des populations en fin août, près de 45 000 nouveaux déplacés fuyant les exactions des gangs ont été enregistrés dans la région. 14 villages agricoles sur les 2179 que compte la région n'ont pas effectué de semis cette année malheureusement et au moins 25 marchés hebdomadaires ont été fermés. Et au 30 septembre, 8 centres de santé intégrés et 20 cases de santé communautaire sont non fonctionnels. et 817 écoles sont fermées sur 2678 que compte la région. Alors, coup euh, comment vous appréciez la situation humanitaire dans la région de Tilabéry suite à ce rapport euh? Je l'apprécie à sa juste valeur et je ne suis nullement pas surpris. Mm. Comment voulez-vous voulez que euh, qu'il y ait des rendements agricoles quand les populations sont sommées de mm. quitter leur environnement. Mm. Comment voulez-vous que dans le domaine sanitaire, qu'il y ait une amélioration significative à partir du moment où les agents de santé sont menacés en fermant les centres de santé. Hmm. Comment voudrez-vous que euh, les populations soient sécurisées à partir du moment où on leur impose le prélèvement de la zakat, Bref, tous ces aspects réunis ne font que euh, qu'aggraver la situation. Et, la preuve, vous voyez, euh, les choses ne vont que de mal en pis, des écoles fermées, des, centres de santé mhm. fermés, des, populations sommées de, quitter leur lieu. Mhm. Donc, euh, vraiment, je pense que euh, le cocktail est assez euh, saturé et la situation, elle est tout sauf réluisante. On ne peut que. on ne va pas jouer les défaitistes, mais quand même, la situation, elle est inquiétante. Elle ne fait que préoccuper davantage. Occasion vraiment de lancer cet appel, mhm. ce énième appel de détresse à la limite à tous les acteurs, mhm. chacun dans sa sphère de responsabilité vraiment à jouer sa partition, à jouer pleinement le rôle qu'il y est dévolu. Mhm. Dans un premier temps, vraiment, l'État a cette obligation de prendre sous lui, mhm. vraiment à un fort pourcentage, la résolution de ces différents problèmes. Dans un second temps, c'est vraiment diversifier euh, vraiment les partenaires où qu'ils se trouvent pour que effectivement euh, ces derniers puissent aider ce même État vraiment à sécuriser aussi bien ses populations, à préserver l'intégrité du territoire et vraiment à préserver leurs biens, si bien il y en a, puisque vous avez mhm. vu, euh, tantôt ils sont sommés de payer la zakat, tantôt ils sont sommés mhm. euh, de, donner des, têtes de, bétail. Tout ça réunit vraiment, elles sont à prendre, elles sont à prendre, mais eh, à cœur rien n'est mhm. impossible. Tu des gens assez résilients, mhm. mais tout de même, il faudrait que l'État joue sa, son obligation première de préserver l'intégrité territoriale, leur assurer leur sécurité mhm. et ainsi que la préservation de leurs biens. Justement, parlant de la situation humanitaire, on sait que ce sont des milliers de personnes, de villageois qui sont obligés de quitter leur village et là, euh, c'est le, besoin humanitaire qui s'impose. Quels peuvent vraiment être les défis euh, majeurs de la réponse humanitaire dans cette localité Vraiment, euh, l'un des premiers défis, c'est vraiment ces deux populations, vous l'avez si bien dit, qui mhm. sont allées, qui sont sommées de quitter. C'est vraiment créer les conditions euh, pour leur, euh, je ne sais pas, c'est leur relogement ou leur euh, repositionnement et créer ces mêmes conditions pour que ces populations d'accueil-là acceptent de, de cohabiter, de bien vivre euh, euh, avec leurs frères qui se trouvent dans une telle situation euh, de détresse. Mm. Moi, je pense qu'en menant une offensive, que ce soit sur le plan de la communication, sur le plan de la sensibilisation, mm. c'est d'arriver dans un premier temps à ce que ces populations-là, elles-mêmes, c'est pas de guetter de cœur qu'elles ont quitté leur habitation première. Mm. Donc, vraiment, il faudrait pas qu'elles se sentent comme des étrangères dans leur propre pays. C'est là où je dis il faut que les populations d'accueil vraiment soient conciliantes. L'hospitalité, vraiment, notre pays est connu pratiquement dans toutes les contrées. Mhm. Euh, de, nous sommes, cette hospitalité, elle est légendaire. Il faudrait qu'elle se matérialise en acceptant de vivre et de faire avec. C'est vrai, quand euh, des gens viennent euh, chez vous, vous avez cette inquiétude peut-être de la répartition des, Des, terres, de la mhm. personne des biens, la répartition des services sociaux de base. Mhm. Mais tout de même, moi, je pense qu'elle doit vraiment euh, les accepter comme telles pour que ces derniers, indépendamment de ce qu'ils sont en train de vivre dans leur chair et dans leur âme, mhm. du fait de la situation qui leur est imposée, mhm. et pour que vraiment ils se sentent au moins euh, euh, chez eux et dans un second temps, l'État doit accélérer, franchement, puisque ces populations, vous voyez, c'est la rentrée. donc maintenant, imaginez. Il y a des écoles fermées, malheureusement. Des écoles fermées. Et là où est-ce qu'ils vont partir mhm. euh, Imaginez la pléthore d'élèves. Mais euh, à l'impossible, l'île n'est tenue. On va faire avec et les conditions doivent être créées. Mais Mounediado, une situation humanitaire dégradée, quel impact cela pourrait avoir sur le développement même de la région mais hein. sur le développement de, de la région avec ces écoles qui sont mhm. fermées, des cases de santé fermées, euh, des populations en masse euh, déplacées, Les, mhm. marchés fermés, les marchés hebdomadaires fermés. Mais c'est trop grave en fait pour cette région. C'est trop grave également pour ces populations qui sont dans cette situation-là. Mhm. Euh, on ne peut pas développer une région avec tous ces problèmes-là que vous venez ou bien vous venez d'énumérer, c'est pas facile. Et ça affecte également d'autres régions. Ça va affecter d'autres régions, par exemple. Parce que quand je vois ces populations-là, euh, ce sont des populations qui sont en détresse. Ce sont des populations qui ont besoin de trouver refuge ailleurs. Mhm. Donc, ça veut dire qu'ils vont tout simplement parce que euh, aujourd'hui, quand je prends le cas de Niamey, mm-hmm. Niamey à côté de Tilaberi, mm-hmm. ces, ces, populations vont se ramener vers euh, la région euh, de Niamey mm-hmm. et, et, vous voyez comment que les choses vont se faire avec ces, ces, ces, populations-là. Mm-hmm. Niamey, déjà, nous, nous sommes déjà... Mais qu'est-ce que vous pensez même de la réponse humanitaire qui aurait réservée Mais la réponse humanitaire, c'est on, on, comme si rien n'est fait jusqu'à présent. C'est comme si sur le terrain, on fait, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mm-hmm. Et on l'avait déjà dit ici, auparavant, qu'il faut mettre l'accent surtout sur les écoles qui sont fermées, mm-hmm. les champs aujourd'hui, les populations qui n'ont pas pu cultiver. Parce que ça, là, c'est un gros problème. Mhm. Il y aura la famine. Mais comment est-ce qu'il faut répondre à cette situation de famine mhm. à temps pour mettre à l'abri ces populations-là Comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ces 800, plus de 800 écoles fermées puissent réouvrir Et même s'ils ne peuvent pas réouvrir, avoir au moins un mécanisme pour pouvoir soulager certaines populations. Mais, mais est-ce que vous pensez que les communautés locales aussi ont leur rôle à jouer dans cette euh, réponse humanitaire non, les communautés locales ont leur rôle à jouer. Euh, c'est au niveau donc peut-être de ce qu'on leur distribue, ce qu'on leur donne. Comment est-ce qu'il faut exploiter mm. le peu qu'on leur donne parce que c'est pas suffisant. Donc maintenant, il faut relogement également oh, euh, sites, voilà tout ça là, c'est je pense que la population aussi doit s'y mettre mm. pour que pour euh, là où on vous donne, il faut vous patienter, il faut rester, il faut accepter. Mm en tout cas d'être relogé là où on vous donne. Maintenant, l'accompagnement qu'on fait, c'est pas un accompagnement à long terme, c'est juste quelque chose qui va vous mettre un peu à l'abri. Maintenant, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez essayer d'utiliser ce qu'on vous donne. Et à l'État, parce que c'est ça le gros problème. L'État doit garantir la sécurité pour ces populations. Même si on vous donne telle tonne de mille ou telle tonne de riz, tant que vous n'êtes pas en sécurité, ça, ne, va pas, résoudre le problème, ça ne sera pas bénéfique. Alors, là, euh, Mohamedou Suleiman, cette situation vraiment qui prévaut dans cette euh, région de Telabéry, euh, que dire sur la situation même en tant que telle vous Quelle appréciation vous faites vous-même La situation, comme l'a dit Memouna, c'est un peu sécuritaire. Mm-hmm. on l'a souvent dit, quand il n'y a pas de sécurité, tout est remis en cause. Mm-hmm. Euh, lorsque effectivement la sécurité manque, vous voyez, euh, les gens, euh, ce qui va amener les gens à quitter le village entier, leur localité, pour aller ailleurs. Vous voyez, les écoles sont fermées, les centres de, de, de, santé, les marchés. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une négation de la vie. Mm-hmm, mm-hmm. C'est-à-dire que, véritablement, c'est notre vœu, c'est que la situation de sécurité de façon générale, globale, en tout cas au niveau de, cette région, en tout cas, qu'on puisse euh, accélérer, en tout cas, qu'on puisse voir, en tout cas, trouver la solution. Parce que cela, en vérité, eh, on, se souvient justement à un moment, les gens, de le soulèvement où les gens ont voulu, euh, au niveau de l'Anzourou, mm-hmm. eh, quitter, en tout cas. Vous voyez Donc, en fait, ces phénomènes, euh, malheureusement, on les observe tant qu'il y a l'insécurité. Et c'est pourquoi, euh, justement, j'ai vu le ministère de l'Éducation nationale, en tout cas, euh, envisager la mm-hmm. reprise de, de, dialogue. en tout cas, ou bien euh, une réflexion, comment. On ne peut pas, euh, en fait, ouvrir les écoles dans ces locaux Tant qu'en tout cas, les gens n'ont pas la garantie de la, mm-hmm. sécurité. Mm-hmm. Donc, ça, en fait, ce qui fait que, ici, l'insécurité, tire nos efforts vers le bas, ça va longtemps, en tout cas, des années, tous ces enfants qui ne vont pas à l'école. Ces enfants, aujourd'hui, certains, euh, celui qui doit être pendant, il perd 3 ans, 2 ans, 4 euh, ans, mhm. voyez tout ce retard-là, c'est ce que ça fait. Donc ça va faire beaucoup de, de, ratés. Au niveau sanitaire, effectivement les gens bénéficient de ces services sociaux, il n'y a plus ça. Donc ce qui fait que véritablement, euh, tant que la situation sécuritaire se dégrade, c'est la vie qui est réduite, en tout cas en termes de, de, qualité. Les gens perdent la, le, goût à, la vie. Et ça donne tout cela, tout, simplement, il faut souhaiter que vraiment euh, les autorités puissent mettre en tout cas les moyens, en tout cas à la disposition des de forces et de, de, sécurité, mm-hmm. qu'on puisse vraiment permettre aux personnes de rester sur place. Mm-hmm. Les écoles, les, les centres de santé, qu'elles vraiment bénéficier d'une vie normale. Mm-hmm. Merci bien. Donc, euh, dernier sujet du forum euh, de la presse euh, de ce jour, sujet santé. Octobre rose, un mois qui est de par le monde entier dédié à la lutte contre le cancer cette maladie se manifeste aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est le cas par exemple du cancer du sein qui touche les hommes et les femmes, mais il est plus fréquent chez les femmes. Et dans la majorité des cas, le développement d'un cancer du sein prend plusieurs mois, voire plusieurs années euh, pour se manifester. Je vous propose à cet effet d'écouter Isata Diakité, elle est la chargée de communication de SOS Cancer, interrogée par notre reporter Fika en ce qui concerne le dépistage, en 2021, il y a eu 1793 femmes qui ont fréquenté le centre et il y a eu 1348 dépistées. Pour l'année 2022, il y a eu 966 femmes qui ont été dépistées. Le nombre de fréquentations a diminué de 2021 à août 2022. C'est parce que les sensibilisations ont diminué et les femmes euh, ont un peu peur de venir se faire dépister pour ne pas entendre un mauvais résultat. Il y a ça aussi. Le cancer du sein Touche aussi les hommes, mais un faible taux. Il faut qu'elle fasse un effort pour venir se faire euh, dépister. Il faut qu'elle sache que le cancer du sein a au moins 10 à 15 années de vie latente. Donc, euh, si elle venait se faire euh, dépister, on allait découvrir tôt la maladie. Alors donc, euh, vous venez d'écouter la chargée de communication de SOS Cancer euh, Niger sur la maladie, euh, le cancer qui touche aussi bien les femmes que les hommes. Mais Mouna, vous, que dire sur cette maladie qui constitue vraiment un véritable problème de santé publique ici au Niger Oui, vous l'avez dit, Nefissa, c'est un véritable problème de santé publique ici au Niger. Et j'ai comme l'impression que avec tous les efforts que SOS Cancer est en train de, faire depuis des années, en train de lutter pour que, à travers des sensibilisations, pour que les femmes et les hommes puissent prendre conscience de la gravité donc de cette maladie. Euh, vous l'avez euh, écouté, elle l'a dit euh, ces dernières années. Euh, le centre est moins fréquenté parce que. C'est ça le plus grand problème, les femmes euh, ne partent pas se faire dépister. Les femmes ne partent pas se faire dépister mhm. parce qu'elles ont peur des résultats qui vont sortir. Mais moi, je pense que, en fait, c'est pas, c'est pas ça le problème. Mhm. Le problème, ces femmes peuvent se faire dépister, mais c'est le traitement. Mhm. Le traitement aujourd'hui qu'il faut voir. Le traitement de, cette maladie coûte très cher, Nafisa. Ça coûte très cher. Et aujourd'hui, pour une femme qui n'a pas euh, de revenus, euh, comment est-ce qu'elle peut faire face euh, au traitement donc, de cette maladie. Et généralement, c'est une maladie qui touche les femmes hein, qui sont dans des zones rurales, qui sont dans une situation de pauvreté. C'est ça aussi. La majorité de ces femmes viennent des, endroits où pratiquement c'est des endroits ce sont de... des femmes qui ne peuvent pas se faire dépister, des femmes vulnérables, qui n'ont pas, assez de moyens, qui n'ont pas un environnement sain, parce que mhm. tout cela contribue également mhm. à faire en sorte que euh, cette maladie prenne euh, de l'ampleur. Maintenant, ce qui a lieu de faire, c'est vraiment de revenir avec... Euh, euh, la sensibilisation, mhm. mettre à, l'appui donc euh, euh, les médias mhm. pour mieux sensibiliser les mhm. réseaux sociaux et tout, pour que ces femmes-là puissent entendre le message de SOS Cancer et de venir se faire dépister. Justement, c'est l'objectif euh, de la célébration d'Octobre Rose à travers le monde. Mais ici au Niger, qu'est-ce que vous pensez des actions qui sont menées pour célébrer Octobre Rose Mais c'est ça, c'est à chaque fois, c'est les mêmes activités que nous voyons. C'est d'abord la célébration. Mm-hmm. Après la célébration, euh, on, parle de deux, trois jours de, dépistage, de dépistage, gratuit. Mais après, euh, le mois d'octobre finit comme ça, on n'entend plus parler de ça. Donc, c'est juste un début. Il y a un engouement, un début, une volonté de faire. Après, on n'entend rien, on ne voit rien. Mm. Donc, ça aussi, normalement, quand on dit c'est mois d'octobre rose, c'est du 1er octobre jusqu'au 30 octobre que mhm. ça devrait s'arrêter. Et ça ne devrait même pas s'arrêter euh, voilà, au continuer, continuer les activités et faire en mhm. sorte que vous atteignez aussi ces femmes qui mhm. n'ont pas cette possibilité d'avoir, euh, ne serait-ce que l'information à travers euh, nos médias, aller au plus profond donc de ce du pays pour pouvoir les sensibiliser euh, les sensibiliser par rapport à cette maladie. Mm. Et sensibiliser également les hommes. Parce que là, elle n'a pas parlé. Le plus grand problème chez les hommes, le cancer, c'est pas le cancer du sein, mais c'est le cancer de, de, la, prostate. C'est ça aussi. Mm. Donc, il faut en même temps sensibiliser les hommes, sensibiliser les femmes, et parce que Là, en fait, le gros problème, même si la femme veut aller se faire euh, euh, dépister, quand la femme n'a pas l'accord de son mari, c'est mm-hmm. aussi difficile. Mm-hmm. Donc, il faut amener le chef du foyer à sensibiliser le chef du foyer mm-hmm. pour que ce chef du foyer puisse également accorder cette opportunité à sa femme pour aller se faire dépister et l'accompagner au cas où elle est dépistée positif. Alors le cancer, un véritable problème de santé ici au Niger qui nécessite un traitement coûteux. C'est du coup que pensez-vous vraiment de la situation de tous ces malades de cancer ici au Niger euh, Je ne peux qu'avoir une pensée pour ces derniers. Euh, vous l'avez si bien dit, Octobre Rose qui se limite à la célébration soit à l'échelle nationale ou internationale de la journée suivi de quelques séances de dépistage, et puis nada. Il faut octobre prochain, si Dieu prête longue vie, pour en reparler. Mm. Et la preuve, la dame en a parlé de cette chute vertigineuse de la fréquentation du, centre. Et du coup, ça impacte. Imaginez, la célébration ne, se fait que seulement ici à Niamey. Et, les elle passe. de sensibilisation même c'est Elle passe même à la limite inaperçue. Pourquoi pas choisir une localité qu'ils ont à aller célébrer, aller dans le milieu rural, leur expliquer de long en large tout le tout l'avantage mhm. que ces femmes, que aussi bien ces femmes que ces hommes ont, de se faire dépister. Mhm. Et surtout que le, traitement, la prise en charge, elle est extrêmement chère et je pense qu'elle doit être inscrite dans une certaine durée. Mhm. Ça veut dire qu'il y a un sérieux travail à faire. La copie doit être revue. Il ne faut pas se limiter à une célébration, bon, une journée et puis des séances de sapins. Il faut l'année prochaine. moi, les, ONG les ONG qui l'État en premier, l'État en premier. Mhm. Ensuite, les ONG partenaires, vraiment, ils doivent aller dans le milieu, dans un milieu rural pour rencontrer ces, femmes-là. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, qu'on me dise que non, ces femmes-là ont peur de venir, non seulement elles ne viennent pas, celles qui aimeraient venir, elles ont, elles ont cette peur-là de, mm-hmm. de, se faire dépister positif. Ce qui veut dire qu'il y a un travail à faire. en tout cas, ce qui a été fait, c'est que, l'effet escompté ne s'est pas produit. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que l'État en premier, ensuite tous les acteurs les, les, les, les, les, acteurs œuvrant dans le domaine, je pense qu'ils doivent créer cette synergie-là mm-hmm. pour revoir la copie quant à la célébration, la prise en charge, le, dépistage et le traitement. Imaginez quelqu'un non seulement qui a du mal ou bien qui est réticent à venir se faire dépister, qu'elle vienne se faire dépister ou bien qu'il vienne se faire dépister, qu'on lui dise, bon, voilà, c'est le cancer. La prise en charge va se faire comment mhm. C'est pour ça vraiment l'État doit prendre le cancer et, malheureusement, c'est une maladie même qui touche les tout petits même maintenant. Donc vraiment, occasion vraiment pour ratisser mhm. large, mhm tous les acteurs et vraiment revoir la copie de la célébration de cette journée qui ne doit pas se limiter au seul mois d'octobre. Mm-hmm, mm-hmm. La preuve, vous avez vu la chute vertigineuse de la fréquentation du centre. Donc vraiment, beaucoup reste à faire vivement que les uns et les autres se ressaisissent pour que euh, vraiment, non seulement nous assistions à une hausse de la fréquentation, mhm, mieux à vraiment à une réduction du taux de, ce, de, cette maladie, vous mhm. l'avez si bien dit, qui désormais constitue un sérieux et un véritable problème de santé publique. Et parlant même de la prise en charge, euh, il y a un centre de lutte contre cette maladie qui a été inauguré en 2021 et selon le ministre de, la Santé publique, docteur Iliassou, la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie de cancer sont effectives au Niger. El Haja Mohamedou Suleiman, à la date d'aujourd'hui, que pensez-vous des prestations de ce centre mm, ben, Je ne sais pas grand-chose. Euh, tout ce que je sais, quand même, euh, la bonne pratique, c'était euh, qu'à un moment, les, spécialistes, notamment l'oncologue docteur Dile Mouha, mhm. qui a une association justement de lutte contre le, cancer absolument, qui font de la, prévention. Parce que je pense que c'est cela le plus important, sensibiliser pour prévenir. Parce que, comme l'a dit Memouna, lorsque on est malade du cancer, c'est déjà la situation est déjà euh, euh, ah, dégradée, parce que ça coûte, ça coûte, cher, euh, le traitement est très lourd. Donc travaillons beaucoup en tout cas selon nos moyens, d'abord pour la sensibilisation, donc la, la, la, prévention. Voilà l'effort vraiment à faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de NG qui s'intéressent à cette. absolument. Mhm. on doit voir sur le terrain justement faire l'effort de sensibiliser à travers les médias, à travers les radios communautaires, en tout cas que, elle a dit effectivement, euh, beaucoup, beaucoup, en tout cas la majorité des femmes qui sont euh, rurales, effectivement, mhm. ignorent souvent l'élémentaire, en tout cas le, le, absolument les, symptômes. donc il faut aller jusqu'au village euh, donc, pour dépister. Donc c'est comme ça on peut prévenir en tout cas, sinon effectivement, euh, faire seulement le mois d'octobre rose, ça vient, ça passe comme euh, euh, vraiment un, du folklore, ça ne peut pas impacter beaucoup la situation. Donc, il faudrait que, en tout cas, tous ceux qui travaillent, ceux qui font les pleurer pour chercher les, les, les, moyens, il faudrait donc davantage, en tout cas, mettre cet argent pour sensibiliser avant même d'en arriver à la mhm. prise en charge, mhm. moi je pense qu'il faut tabler beaucoup sur la sensibilisation en mettant à contribution vraiment les médias et les radios communautaires. Parce que mhm. la, prise en charge, elle est, coûteuse. Donc avant d'en arriver, moi je pense que c'est un travail de fond qui doit être mené à travers une sensibilisation accrue. Quand on dit que le cancer, déjà, vous voyez ce que ça veut. C'est terrible, vous que les gens pensent que... Psychologiquement, vous êtes abattu. Et même dans la société, la C'est la fin. Donc tout cela, il faut sensibiliser euh, les gens en tout cas. Euh, elle a dit, par exemple, vous voyez, dans notre milieu, cancer de la prostate, vous voyez, les gens entendent, de parler, mais vous voyez, il n'y a pas ce réflexe d'aller tout simplement se faire dépister, se, consulter. Vous voyez, tout cela, c'est important. C'est important, mhm. il faut sensibiliser les gens, en tout cas, mhm. puisque c'est grave quand la maladie, la maladie arrive. Donc, il faut tout simplement que les gens ont le rudiment, en tout cas, ce réflexe en tout cas d'aller en tout cas tout simplement prévenir. Il faut, il faut d'abord faire connaître la maladie mhm. à ces populations là après passer à la sensibilisation. Parce que il suffit pas d'aller sensibiliser et que ces populations ne connaissent pas les symptômes. Mais la maladie même en tant que telle, c'est quoi Il faut essayer d'expliquer le cancer à ces populations-là. Il y a différentes formes de cancer. Donc il faut que ces populations connaissent les différentes formes de cancer et également la gravité de cette maladie en cas où ça t'attrape. Donc, et prévenir également, il y a des mécanismes de prévention pour cette maladie. Non, on peut euh, prévenir par l'hygiène, on peut prévenir par euh, l'alimentation. La, il y a des aliments qui sont recommandés, en tout cas, pour prévenir ce genre de, de, de maladies. Le centre a été créé, mais créé pour qui je ne pense pas que c'est créé, en tout cas, pour peut-être une pauvre femme qui se trouve à quelques kilomètres, combien de kilomètres de, de, Niamey, et qui n'a pas la possibilité. Parce qu'aujourd'hui, le seul fait aujourd'hui de rentrer dans un centre de santé et ne pas trouver quelqu'un, une connaissance ou quelqu'un, mhm. la prise en charge est très difficile. Effectivement. La prise en charge est très difficile. Mhm. on a l'habitude de voir des femmes qui sont banalisées. Mhm. Parce que tout simplement, là où elles proviennent, et là où elles sont venues se faire traiter, mhm. elles n'ont pas le soutien ou elles n'ont pas une connaissance de quelqu'un mhm. là-bas qui peuvent rapidement. C'est un peu compliqué. Mhm, Donc il ne faut pas se cacher. À défaut même parce que l'État veut peut-être que pourrait voir ça assez coûteux, c'est D'où la nécessité de former assez d'oncologues. Ainsi, ces données pourront être reparties, même pas au niveau des régions et au niveau des départements. C'est dès à présent vraiment mettre l'accent sur la formation des spécialistes. Beaucoup doit être fait et revu. Mhm. Beaucoup doit être. C'est pour ça que je dis, il suffit pas de venir euh, octobre rose ou mhm. octobre jaune, je ne sais pas quoi. Mais vraiment, c'est de vraiment créer les conditions en sensibilisant euh, pour que vraiment cela puisse faire un écolage, que les gens sachent à quoi s'en tenir demain. Beaucoup donc doit être fait pour lutter contre cette maladie, le cancer, qui constitue donc un problème de santé majeur au Niger. Et c'est ici euh, donc euh, que prend fin le forum de la presse euh, de ce jour. Nous étions en compagnie de Meimouna Diado, journaliste indépendante, Sidi Kousman Doumbia, journaliste indépendant également, et El Haj Mohamed Suleiman, directeur de publication du journal Niger Inter. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le rendez-vous euh, des jeunes samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios partenaires avec l'actu des jeunes et tous à la FADA. Et à partir de 18h15, vous suivrez les forums à Hausa et Zarma de Studio Kalangu. La technique est assurée par Amina Hassan, la régie vidéo, c'est Nisaka. Je suis fils Adam Sirfo à la modération. Très bon week-end à tous et à toutes.